Les kalbende Ne dis que je ne marre mon frère Ne dis jamais qu'il est tard ma soeur Ne dis que je ne marre mon frère Où que tu sois, ici même ou quelque part Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part Lève ta tête et regarde l'image du ciel Le jour c'est le soleil et la nuit c'est les étoiles après la pluie, c'est le beau temps qui s'installe. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite vie, remercie Seigneur car il a toujours aidé tout ce monde d'ici-bas. Tu voleras quand elle va te plumer les des ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, gardez vous comme on gare. Machallah, il que ça de dire qu'on va. Machallah, il que ça de dire qu'on va. Machallah, il que ça de dire qu'on va. Y'a que vous il que ça de dire qu'on va. Vous, vous, rappelez certainement de l'artiste Bigardel. Le talent y est. Vous l'avez certainement constaté tout à l'heure à travers sa petite prestation artistique. Et ce n'est que la partie visible en question de l'iceberg. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Big Abdel, déjà connu de la jeunesse nigérienne puisqu'il a été diffusé sur 47 radios partenaires. Nous considérons que vous avez cerné l'artiste en 5 minutes hier. Il est toujours présent sur le site du studio Kalango. Allez-y, likez la page, du studio Kalangu. Partagez, commentez. Aujourd'hui, sur cette émission, on va parler d'abord des débuts. Hier, tu disais que tout a commencé il y a cela 5 ans. C'était à quelle occasion Ça a commencé par un concours que j'ai participé. Ok. Ce concours euh, se nomme Tremplin des jeunes talents. Tremplin des jeunes talents. C'est un concours que le label Abisque Record organise Tout chaque année. Et tu étais lauréate en 2019. C'était en 2019. Ça veut dire qu'en 2019, c'était pas ta première participation. C'était ma première participation. En 2019 Oui. Au tremplin Au tremplin des Jeunes Talents. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu avais présenté au tremplin Ça veut dire qu'avant le tremplin, déjà, tu étais dans l'underground, tu chantais J'étais dans l'underground, ouais, mais affiché. Affiché. Tu t'es affiché au tremplin en 2019. Qu'est-ce qui t'a permis d'être au sommet au tremplin Oui, parce que c'était euh, le thème même du concours, c'était quoi Le thème de la finale. Euh, pensons aux femmes et aux enfants en temps de guerre ou conflit. Pensons maintenant aux femmes et aux enfants en temps de guerre ou conflit. Ça fait l'actualité parce que l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, est secouée. Les pays euh, du Sahel sont aussi touchés par une guerre qui ne dit pas son nom. Pensons à ces enfants dans les coins les plus reculés, les zones en guerre au Niger et au Burkina, en Mauritanie, au Mali. Pensons à eux, chantons pour eux sur cette émission sur le beat. Yeah. Give me yara manyan gobe mutuna da su mukula da su bale fa a lokacin yaƙi kira nike ga gwamnati ku zo fa mu dibi wannan sha'ani kungiyoyi masu kulawa ku bari mu ƙara ƙarhin gwiwa unicef nike kira onu ce nike kira Oui, kare wana halita Gaskiana donc du coup c'était un son que tu avais présenté à l'occasion du tremplin qui t'a permis d'être euh, Nambara ou non c'est ça c'est ça 2019 ouais. Après le tremplin, qu'est-ce que tu nous as présenté Juste après le tremplin, j'ai fait espoir. Ok, d'accord. Espoir qu'on vient d'avoir en début d'émission. Pourquoi tu as chanté espoir Oui, parce que dans un premier temps, il faut, qu'on touche l'espoir. Ouais. Sans espoir, on n'y peut rien faire. Oui, tout à fait. Et tant qu'il y a la vie, il y aura toujours de l'espoir. Voilà, et c'est sans distinction de race, d'ethnie, sans distinction de, de tout, si je peux dire. Parce Que tu es humain, tu es conscient tu as besoin d'espoir. Tout simplement. Ouais, il faut de l'espoir, je suis d'accord avec toi. tu as plus de santé, donner envie aux jeunes de continuer, c'est dire que garder l'espoir. C'est la vie, c'est un combat. Ouais, ouais, c'est ça. Cool en dehors de tu as pensé à faire quelque chose ou bien tu es rentré tranquillement chez toi et dire que je vais dormir, moi je n'ai plus envie de chanter <laughs> ou bien tu as des projets ben, Ça, c'était juste une partie remise. Juste après Espoir, j'ai officialisé une vidéo nommée Debo. Debo qui a vu le jour Oh oui, qui a vu le jour justement. Ok. Parce que c'est un son qui parle de. la femme, à l'offre, la femme. de la femme. tu... as des projets euh. Un album en cours Oui, il y a un album en cours. Ok. Un album de huit titres. Huit titres. Qui sortira quand exactement Pour bientôt, parce que je bientôt. pas, oui, pas décidé de la date. D'accord. Nous sommes à la fin donc de cette partie qui a parlé de ta musique, de tout ce qui va avec euh, tes projets. Alors, Big Abdel, l'instant est solennel. L'artiste s'exprime, c'est tout de suite et maintenant. On te donne la possibilité de t'adresser à tout le Niger, l'Afrique et le monde entier. Et... Voilà, merci. Euh, en fait, moi, le message que j'ai à lancer, vraiment, il faut, il faut qu'on, faut qu'on maximise cette consommation. Mhm. Il faut qu'on se déplace d'un moment à un autre pour soutenir l'artiste. Parce que c'est ce que les autres font. Les mhm. autres pays, voilà, si je peux dire. C'est ce qu'ils font pour booster l'artiste. La musique, elle ne s'arrête seulement pas au pays, mhm. mais à l'échelle internationale. Parce que grâce à la musique, tu peux sourire des continents. Grâce à la musique, tu peux casser une crise. Grâce à la musique, tu peux faire beaucoup de choses. Alors l'artiste, il a besoin d'une place au sein de la société. Une page Facebook Big Abdel officiel. Un compte YouTube Pareil. Commencez d'abord par le soutenir, mesdames et messieurs, en likant, en commentant et en partageant tout ce que qu'il fera. Voilà. nos machines machine Big Abdel c'est. Irbanfa